spectateurs de Boss Media, bienvenue dans votre émission le Sport. Aujourd'hui, on est là au stade de Barry de Guédiawaye pour vous parler de football avec l'AS Teranga de Pékin. Ganao bu Amalé, c'est dîner de gala samedi passé c'est une première séance d'entraînement loolu fitat fi on en son et en image quand c'est important c'est sur Boss Media à tout de suite. male wo yo. Rai mote, rai mote yo. Oh, rai bai mote, rai bai na male wo yo. Rai mote, rai mote yo. Man na plan, man plan. dolanışo, dinle dinle dinle. de nous joindre, nous sommes toujours au stade Amadou Barry de Guédiawaye pour cette séance d'entraînement de l'ASC Teranga de Pékin. Voilà, vous voyez les joueurs qui sont déterminés, qui ont envie de tout donner pour cette année. voilà année tour y a eu de nouveaux recrues y a eu de nouveaux recrues et même un nouveau président au sein de l'ASC Teranga de Pékin. Voilà des joueurs déjà très très brillants avec un petit public derrière. On se régale ici sur Boss Media dans votre émission Sous Sport. Euh, vous les voyez bien, euh, Boss a déjà vu qu'au sein de cette équipe de Teranga de Pékin, on a vu de nouveaux recrues, des joueurs qui ont envie de se donner, de tout donner, autant pour moi, pour cette année. Hein, déjà, Gisnga et Mini, des, des joueurs très brillants, frappe, mais qui a été détourné joueurs ils ont envie de de tout donner pour euh, pour Anebini, euh, voilà ça joue bien côté rouge c'est pas un match hein, les gars c'est une séance d'entraînement de l'ASC Teranga de Pékin. toujours ballon dans les pieds des rouges ça joue bien oh là là là là la passe a été profonde il a été oh là là super Belle récupération. Le gardien qui relance ah tiens moi c'est ballon pour les blancs au milieu ça joue bien il qu'est-ce qu'il va faire il perd le ballon malheureusement récupération des rouges ça projette devant oh quelle passe quelle passe Qu'est-ce qu'il va nous faire Panenka Ou bien il choisit de faire la passe malheureusement <laughs> récupérée par la, par la défense des Blancs. Ça joue bien voilà ci am ni la doon wax gis nga joueur yi ku ci nek dafa bëgg wané wane mëninam ku ci nek mi ngi wane fort am fi nga xamné ne euh, fi mu mëné dal mais du match nak gaay entraînement la rek fi nga xamné ne ASC Teranga bu Pikine mu ngi neex c'est dans Boss Media bul nelaw dé waaw kay gardien ba japp nako wa wàccee na bal bi ci souf tek nako ci ay tankam passe de défenseur ah défenseur bu lu mi def mu ngi buddi <laughs> qui redonne derrière. Ça joue bien pour les rouges. On a décidé de temporiser un peu, de casser le rythme. Voilà. Tcham, gardien bi daf gardien bu gardien du may gis on ku pour pour main la de Ballon toujours dans les pieds des rouges. Ça commune bien, une Qu'est-ce qu'il va nous faire Une passe, c'est bien joué. Latéralement, oh là là, ballon qui file en tous. Longue passe devant, récupération de la défense rouge, qui redonne derrière pour son gardien. Je vois que l'équipe rouge là, elle est, bien en place. Malgré tentative blanc et défi, chaque jour euh, rouge est désamorcé. Ça joue bien. Qui va les fixer, qui redonne à son latéral, percute jusqu'au milieu terrain. Ça joue bien entre les deux. Entre les deux, oh là là là, il n'y a rien. S'il y a une faute, sifflé par monsieur l'arbitre. Ballon pour les Blancs. Centre qui va finir dans les bras du gardien rouge. Alors qui dégage, qui trouve son latéral, toujours bien en place. Ballon pour les rouges. En tout cas, on est en train de voir du football, des passes, du rythme. Il y a tout ici au sein de l'AIC Teranga de Pékin. Le gardien qui dégage, loin devant. Récupération du défenseur. Belle amortie. Les ballons, finalement. à qui ne sort pas. Ça joue bien, ça joue bien. Parce que Rougimont, franchement, il nous fait du, du... Ils sont en train de produire du beau football. Voilà oh là là Kisna naa équipe rouge bi cham. Euh, à chaque fois nous seen football day am changement dañuy jógee dañuy gauche dem droite aussi seen de terrain donc voilà c'est bien parti dal en tout cas J'ai des ressources pour euh, pour démarrer cette année cette ASC Teranga de Pékin. ballon en profondeur qui va trouver qui qui qui essaie d'éliminer le gardien oh là là là là là mais quel gardien qui dégage devant il est en train de pleurer Qu'est-ce qu'il va faire Le petit dame latéral qui redonne derrière. Récupération. Récupération des blancs qui vont se projeter devant. Joli contrôle pour se défaire de son adversaire qui a malheureusement qui fait une mauvaise passe. En tout cas, il y a du rythme dans le jeu. Il y a de l'animation. Il y a tout au sein de cette équipe, Mashallah. Cham, Fimouiner. Voilà pour les rouges. Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Jolie passe. les côtés zigzag. Qu'est-ce qu'il Oh là là Est-ce qu'il va frapper Contrer. Dégagement du défenseur, comme du n'importe quoi. <laughs> Ballon toujours pour les rouges, centre qui retrouve la tête d'un joueur blanc. J'aurais bien aimé connaître les noms, mais comme entraînement là, Moi, loolu ah ballon pour le Moi je suis nag joueur buzz la. centre oh là là oh là là tcham, aïe oh si c'est magnifique. Orai bai mote, orai bai na malewo iyo. Orai mote, orai mote iyo. Ona lewo, mama ina malewo iyo. Orai mote, orai mote iyo. Orai bai mote, orai bai na malewo. c'est important c'est toujours sur Boss Media là avec Johnson la euh, saison bi nga def toj stade de Mbour ba ñëpp di la ooyee libérateur pourquoi nga ñëw ASC Teranga. waaw déjà parce que ASC Teranga ASC bu mag la en plus un objectif. objectif. te booy xool euh, disposition de travail ça nous permet de m'exprimer en plus gën préparer wu gën a gën a du coup ça fait honneur di du jeu Teranga xam nga par le biais de Khadim, Seigne Khadim. Vraiment, ça me fait honneur quoi, voilà. D'accord. Mais nous avons fait Stade de Mbour. Est-ce que vous avez avec Terrain Teranga Pékin vous avez fait le plus Oui, Inch'Allah, parce que ce que j'ai fait sama liggéey moom moo ko may donc bu ñëwee fii dañuy liggéey. mais coow li bëri woon na il faut tourner Johnson Johnson Stade de Mbour Libérateur est-ce que yow Manam, tu te sens à l'aise au sein de cette euh, de de ton nouveau équipe. Wa, mais bien sûr parce que ku dem ba dëkku Stade de Mbour xam nga donc jàpp ni club warul le jaaxal nous sommes appelés à devenir euh, voilà quoi à vivre comme ça quoi coow di jub à chaque fois coow di jub à chaque fois mais c'est à nous de travailler xam nga à chaque fois di bonnes de décevoir suñu ñuy mais juste les politiques travaillent avec rek guerres, rek quoi voilà les mooy lépp. naka nga dundee sa première séance d'entraînement. waaw neexoon na ça a été vu que ça bi été fait. <laughs> chauffeurs yëpp ñoo sétane ñu ngi leen di nuyu aussi tamit voilà voilà vraiment ça fait plaisir quoi té da ngay xol disposition de travail bi voilà quoi c'est c'est c'est au top alors par nga pour def année bu brillante saison euh, brillante. Allez, on te souhaite beaucoup de, beaucoup de réussite sur ce nouveau club Binga Am en hein, Johnson Mignono. Après, nous avons Kenen Rek, nice, cool. C'est sur Boss Media. Let's go. On est toujours là avec l'AIC euh, Teranga de Pékin, avec Ousmane, le capitaine. Ousmane, je suis là. Je suis là. Ousmane, euh, tu le capitaine de l'équipe Oui, je suis capitaine de l'équipe depuis 5 euh, ans depuis 5 ans maa ngi nekk capitaine l'équipe mais ça, euh, Moussa ñëwee nekk suñu grand suñu référence dañ ko koy jox mu takk d'accord léegi tey mu nekk première séance d'entraînement comment tu l'as vécu nan nga dundee séance d'entraînement ça s'est bien passé parce que entraîné dans les meilleures conditions euh, malgré que chaleur bi mais entraîné dans les meilleures conditions aussi euh, teg nañu ci disposition yu pour ñu entraîner. D'accord. Et yakar nga né année bi ni euh, dina gën année bi ngeen année bi ngeen weesu parce que l'année, l'année, l'année précédente mom ça ça n'a pas marché premier tour ngeen tok. Japp na cette année sera la bonne parce que les moyens sont là. tous les moyens sont sont sont à notre disposition légui euh, li ci des moy liggéey rek pour atteindre objectif D'accord. Et objectif lan lay donne finale la coupe la demi finale wala quart de finale. remporter le maximum de coupes possible remporter le maximum de trophées possible loolu rek objectif du changer. Eh, eh, ressources wow. Depuis que euh, l'équipe de Magla, j'ai eu trophée sur 5 euh, ans. J'ai 5 fois champion, gagné 5 euh, Coupes, euh, a perdu 2 finale. Contre l'équipe de Magla, j'ai fini avec l'équipe de Magla, j'ai eu une coupe, Inch'Allah. Si on t'a vu, euh, tu te sens à l'aise dans le milieu Parce que le milieu, c'est le milieu, c'est le football. Aussi, euh, le football, c'est le football, donc c'est assez normal alors qu'est-ce que tu vas dire à à à à vos supporters qu'est-ce que lan ngay wax say supporters yi nga xam ne ñëw nañ gis nga malgré entraînement tey entraînement kese la ñu ñëw def lii lan nga leen di wax pour ñu gën am confiance. waaw ñoom boobu ba tey ñu ngi jàpp taw bàyyi parce que ku ci nekk amulul sa quartier ku ci nekk sa quartier ngay représenté te ku ci nekk boo sañoon bu sa quartier taxawee ak lu ñu wax di nga taxaw wax. kon nañu gën a rek parce que ñun moom ñoo ngi seen ginnaaw incha allahu ren euh, ça sera la bonne Inshallah. Ça sera la bonne parole du capitaine Ousmane. Nous remercions remercier beaucoup. Hein. Merci beaucoup à toi Ousmane. Toujours ASC Teranga Boupikin Lagnek, Fitch Stade Amadou Bari. Là, je suis avec le capitaine d'office Moussa Ndaw. Moussa Mangligiar. Je de Moussa, comment tu as séance d'entraînement Oui, Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Hmm. Comme tout le tout début est difficile. Début, prise de contact, il fallait que les nous devions faire une fexe nu ñu gaaw a miinante xam nga looloo waraloon première première séance bi nii mais lu entraînement yi di gën a dem incha allah dina gis dina gën a am qualité. si en tout cas tey gis nañ football bu rafet te gars yi ñu ngi doon combiner nice kon da nga gis ne si sa jàngat des na quoi. waa si si des na xam football moom benn langue la rek. football moom c'est universel. benn dëkk boo dem li fa am foofu moo am fii xam nga te ay footballeur bu ñu dajee cohésion bi day day day gaaw moo tax président bi def recrutement bu mel nii dem xool club bu nekk meilleur les les meilleurs jël leen indi leen fii nii ci équipe bi donc moo tax nga gis entraînement bi mu am ay combinaison affaire yi rafet. gisoo ne le fait que mu jël euh, am de am de nouveau recrue ay ay joueurs yi bees yu ñëw gisoo ne saison bi ngeen jugee ngeen toog premier tour moo waral loolu wala. waaw loolu aussi c'est normal mais xam nga teraanga équipe bu mag la tey depuis 2012 la teraanga gëj am trophée te loolu du du yoon. moo tax ren ñu am président boo xamante ni dafa euh, macha allah mu jël ay moyens def ko ne dafa bëgg delloo équipe teraanga fi mu nekkoon parce que teraanga si 5 ans dafa si jël cinq trophées ah. loolu lañ bëgg indiwaat nag ren moo tax ñu bëgg jël trophée yëpp inshallah rabbi est-ce que vous pensez que avec cette équipe avec cet effectif là que vous avez euh, wóolu nga ne bu ngeen bu ngeen liggéeyee di ngeen indi coupe wala di ngeen gagner trophée. inshallah rabbi rabi awma ci ma doute vraiment aw non non awma ci si benn kii nii loolu moom te lay démé sax inshallah rabbi nañu ñaanal yalla xam nga ñu commencé ko comme ni ñu ko commencé si bismillah yalla euh, musso ñu ci cat kenn bañ ci gañu ñu jéxalako ko alhamdulilah alamin di nga gis ni trophée yëpp inshallah dina ñëw teranga

Là, je suis avec euh, Elas Diouf, capitaine euh, Stade de Mbour, ah, ah, ex-capitaine Stade de Mbour. Mu ñëw fii signé fi nga xam ne mooy euh, Teranga pourquoi ce choix. avant tout ex-capitaine Stade ah capitaine Stade de Mbour ah bon. Mais ne ni ma may capitaine Stade de Mbour. Ni ma may yow ni ya ngi capitaine Stade de Mbour. léegi pourquoi tu as choisi le club de Pékin? Ah parce parce que nous avons dañoo championnat bi hivernal après ma blessure mam liga maa croisé danaka aller yeeg lépp joué wu ma daanaka championnat bi 12 journées rek la jouer après avec euh, seigne Khadim sans père sama lépp la mu sollicité ma ne ma ren dafa bëgg a jëlaat président ic Teranga pour ma ñëw jappalé ko comme togon na 8 ans joué ma championnat parce que ma ngi ci Ligue 1 bi ren Stade Mbour joué Ligue 2 ma ne and ak ñom joué Ligue 2 moo tax ma ne comme aw temps de jeu daw xaar ñëw jouer ic Teranga pour am temps de jeu waaw léegi léegi yow est-ce que fii tu te sens à l'aise quoi vu que blessure nga jógee est-ce que ici conditions yi ñu la teg mi nice ba xam yaa ngi sentir sa bopp ci club bi. waaw waaw waaw waaw conditions yi ma sëriñ bi teg sax du ma wax une bi du ma wax président sëriñ bi la. sëriñ daf la jox xaalis. non joxuma xaalis ndax maa moom suñu relation dépassé na Ah bon. relation dépassé na mais milieu bi ma dougal, defe naa am na joueur professionnel n'est que Europe sax newuñu fa instant bi ma wax ak yow waaw conditions yi ma teg am na joueur professionnel yi nekk Europe sax il condition nekkuñu si milieu bi ma nekk.

Teranga de Pikine hélas ñu lay wax né yalla na blessure bi gëna ki nga gëna toj parce que supporters yi ma gis ni soxla nañ la ci équipe bi donc yalla yalla défal merci beaucoup à toi hélas Non lay démé rek ñu gëna wëyel ci Boss Média indiwaat affaire yi gëna a gëna clair gëna Si vous venez de nous joindre, nous sommes toujours sur Boss Media dans votre émission Sunu Sport. Là, je suis avec le coach Abib. Coach Abib, comment ngi lay nuyu. ngi mon frère. Nous euh, gis la à l'équipe équipe euh, fi Teranga de Pékin. est-ce que vous sentez que équipe est bien bien partie cette année.

voilà mbolo mi anguma bi ak xol ni ñu àndee ah, yalla bu yalla tas suñu yaakaar. Amin euh, ñu gis né am nga contact ak ces joueurs est-ce que sa xel dal na joueurs yi ñi ngi ñi ngi def li ñu leen di sant wala ya nga gis état de forme ci ñom bien que vu que c'est le premier première séance d'entraînement. waaw xam nga nak en général première séance d'entraînement yi du évident trop. parce que day fekk soit joueur yi nekkoon ci ben repos soit dogo a championnat nopolu ben 15 jours 1 mois donc c'est pas trop évident niveau yi du doon benn dañuy rawante mais je sens nettement que ni voilà euh, gars yi ñu ngi ci envie bi mu ngi fi voilà ils ont envie de se voilà de s'entraider quoi c'est c'est le plus important en général ci groupe groupe bo xamante ni da nga ko bëgg construire groupe bu en général donc voilà pour le moment ça va dal mais aussi au sein de l'équipe on a constaté des nouveaux recrues am joueurs yo xamné ne nañ ci championnat yi mag yi nañ fa ñëw est-ce que nekkul ne lu vous lu ngeen kiyoon daaw moo changé équipe bi état d'esprit beeg que noonu ba ba waral ay joueurs yu bon compétition c'est une wax compétition moom boo jëm je pense que da ngay dem pour être le meilleur bien la meilleure équipe autant pour moi Si vous voulez être la meilleure équipe da ngay wut les meilleurs joueurs. teg leen ci conditions yi war pour mën a am li nga donc on s'est fixé des objectifs mm. on s'est donné les moyens de les atteindre Qu'est-ce que alors euh, j'ai cru comprendre il y a un nouveau président lan est-ce que est-ce que def na ci condition yu nice est-ce que teg len ci condition yu bax yo xamné carrément euh, def na financièrement lepp lepp dal def na ci équipe bi def na ko ci équipe bi dal pour ngeen pour ngeen sentir à l'aise bon man déjà duma ma ni nouveau président yow nouveau président ngay wax mais man duma ni nouveau président parce que taxaway président la ma sa am ci équipe bi depuis bi muy xalé ba fi mu tollu nii nii boobu la ma am bi muy mën avant muy mën daan na def ci ay pexé bopam bi muy mën macha allah mi koy wane. donc ku nekk président mom dina ci def li mu dina ci parce que équipe bi moko ñor ñun ñii ñep équipe bi mo ñu ñor ba ni mu nekkee président mi ngi continuer di ci def donc il a toujours été président pour man. D'accord. loolu du chapeau à toi monsieur Président. donc les quelles seront les les les perspectives. bon perspective yi objectif bi c'est la gagne essayer de rafler tous les trophées yi ñu fi tek comme li ma wax sank dama né quand on se fixe des objectifs on se donne les moyens de les atteindre moyens yaa ngi fi liggéey itam jëli ko moo ci des bu ñu yàlla suturaalee gëm naa ne loolu mën nañ ko am incha allah. incha allah ah coach 12 ans ngeen euh, depuis 2012 jëlu leen coupe de donc gis naa ne public moom namm nañ coupe te yow tamit xam naa namm nga coupe. wa namm nañ ko public bi namm nañ ko ñun ñi nga xam ñoo ne ci ginaaw équipe bi namm nañ ko ñep namm nañ ko. Mm. lolo tax ñu boole doole donc na bo gisee tay tribune ni mu mel nga xam ne équipe bi voilà am na loo xamante ni nii ni xif nañ ko dirigeant yi bo gisee moyens yi ñu déployer ba ci président bi nga xamné équipe bi am na lu ñu xiif boo staff technique bi seen taxaway nga xamné équipe bi am na lu mu xiif donc yooyu ma la jox rek ay indices la yu wane ni équipe bi da am fu mu teg bëtam te inshallah da fa bëgg dem soobee yalla inshallah on vous souhaite beaucoup de beaucoup de réussite coach di di rafetlu say cadre bu baax un mot pour vos supporters. voilà di la remercier yow ak ce voilà c'est ñi nga àndal di liggéey di wax supporters yi seen taxaway ci début bi macha allah rafetlu nañ ko nañu yok sen doole xamni ni équipe bi suñu équipe la ñun ñep nañu supporter équipe bi baña a ŋàññi équipe bi baña a xeexee équipe bi te xamni ñun sen doole lañ soxla doole biñ soxla du nekk ci terrain bi di wéqante sànnante non non non nañ def fair play non à la violence indi mobilisation bu forte pousse équipe bi ñun ñu dem ci kanam inshallah allah jëli ndam li jox len ko bu soobé yalla allez merci beaucoup coach mu nekk cadre yu rafet. Nous ñëpp ñu koy rafetlu dégg ngeen supporter bi lancé na message fair play non violence ASC Teranga bu Pikine ca kaw ca kanam. quand c'est important c'est toujours sur Boss Media Nous ngi fait fii stade Amadou Barry de Guédiawaye avec l'ASC Teranga de Pikine première séance d'entraînement, il y' avait du jeu du spectacle il y' avait tout gars vous gis nga affaire bi il y avait aussi un petit public derrière donc supporters yi ñëw nañ quant à moi je vous donne rendez-vous très prochainement d'ici là restez connectés au programme de votre chaîne préférée Boss Media yu know the deal bul nelaw de.